forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Les programmes du studio Kalangu se poursuivent. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du forum du studio Kalangu. Les émissions du studio Kalangu que vous recevez grâce à une quinzaine de radios partenaires disséminées un peu partout à travers le Niger. Ce soir, nous allons direction Arlit pour parler des jeunes miniers licenciés de l'entreprise d'exploitation d'uranium Imura Renessa. Au nombre d'une centaine, ces jeunes ont pu bénéficier d'une formation et d'un appui en matériel de détection de métaux en vue de leur reconversion vers les activités d'orpaillage. Vous entendrez à ce sujet le président départemental du Conseil des jeunes d'Arlit. Toujours à Lille, nous parlerons de la demande de déguerpissement des sites d'orpaillage faite par la population lassée par les conséquences de tout genre que provoquent ces sites. En volet culturel, nous vous proposons aujourd'hui un dossier complet sur la compagnie théâtrale Arène. C'est un groupe qui entend faire une campagne de sensibilisation nationale sur la démocratie participative à travers le théâtre. Et sur le plan judiciaire, ce soir, la réponse d'un juriste sur les questions que dit la loi sur le, sur le cas d'un député condamné par la justice perd-il son statut de député ou pas Bonsoir à tous, bienvenue dans ce forum nous, que nous ouvrons par euh, ces dossiers culturels. Ce matin, la compagnie théâtrale Arène a animé une conférence de presse au centre culturel Jean Rouge euh, de Niamey. Le but était de présenter l'un des projets de la compagnie Arène Assise Citoyenne. La compagnie Arène qui a été créée en 2001 par, a été créée en 2001 par Alfred Drogbe. À travers ce projet, Arène Théâtre entend faire une campagne de sensibilisation nationale sur la démocratie participative. Une présentation sur la loi du passage automatique a été jouée en titre d'illustration. Pourquoi et comment l'idée d'un tel cadre Dans un premier temps, nous allons d'abord suivre la présentation de ce matin appelée session, suivant d'abord la mise en scène. Il n'y a que des citoyens. Nous sommes tous des citoyens. Il n'y a pas de titre ici. Et notre rôle, c'est de réfléchir sur des points, des aspects qui concernent la bonne marche de notre pays. Nous réfléchissons ensemble à ce que des comportements changent, à ce que le Niger fasse un pas en avant. Donc il n'y a pas de thème précis. Nous abordons tous les aspects, toutes les questions que nous jugeons utiles d'aborder. Dans un Parlement, pour que les choses se fassent bien, il faut une certaine discipline. On ne prend pas la parole n'importe comment. On demande la parole et quand on vous la donne, vous la prenez et vous vous exprimez. L'expression, elle est libre. Mais c'est une situation unique parce que ce n'est pas tous les jours qu'on réunit des Nigériens pour leur donner la parole. Moi, en tant que premier responsable de ce Parlement, je suis provisoirement monsieur le provisoire. Donc, c'est moi qui donne la parole et c'est moi qui la reprends également. Dans un Parlement, on fait des propositions, on donne son avis, mais surtout, on propose des lois. D'habitude, c'est le rôle des députés de proposer des lois. Aujourd'hui, c'est le rôle du citoyen. On vous donne l'occasion unique d'être des législateurs direct. Monsieur le provisoire. le provisoire. On va commencer par une femme. Oui. Merci, monsieur le provisoire. Moi, j'aimerais proposer une loi concernant l'éducation et surtout l'éducation de base. Parce que nous constatons dans ce pays-là que le niveau des élèves est très faible. Et moi, je me dis que, que c'est le passage automatique est l'un des facteurs. Et c'est pour cela que je veux proposer une loi qui va interdire le passage automatique dans les écoles nigériennes. Le passage d'une classe à une autre ne peut pas être automatique. Les passages se méritent. Il faut qu'on apprenne à nos jeunes frères qu'il faut bien travailler pour pouvoir passer. Merci, monsieur le provisoire. Les passages automatiques, chers citoyens, c'est des éducateurs qui se sont réunis. Et je vous le précise, c'est juste à l'école primaire. C'est des enfants de moins de 11 ans ou 12 ans, au maximum 13 ans. Donc pour eux, c'est important de les laisser passer jusqu'à jusqu'en classe de cm pour ne pas trop les frustrer. Parce que le passage automatique ne se fait pas en classe, en collège ou au lycée. n'ai pas fini. Monsieur, le provisoire, j'ai pas fini. pas fini, le, eh, merci monsieur le provisoire. Donc, je me dis, ce n'est pas le passage automatique qui est à la base de la baisse des niveaux. Non, monsieur C'est beaucoup plus. Double vocation, on a vu ça au Niger. Volontaire, on a vu ça. Aujourd'hui, on voit des contractuels faut revoir ça, comment les contractuels forment les élèves. C'est ça qui est à la base de la baisse de niveau. Mais monsieur le provisoire, monsieur le provisoire. Il faut reconnaître qu'il y a au Niger, il y a un qui éducation. D'ailleurs, passage automatique. Mais comment Il y a rien comment ça en compétition. même entre eux, s'il un a course maintenant, ils sont en compétition. Un. De deux, abonnez-vous question. Même la qualité des enseignants même la qualité des enseignants. Eh, mais j'ai pas fini. Monsieur le provisoire, Yosa gagné un aventurier de Hito de Côte, il parle avec aisance plus qu'un enseignant ou une enseignante. Ça, c'est une faute. Comment bah, haka ba? Abin da nake so, kenan ya kamata. Eh, wannan passage automatique a yi waje da ita. Vous venez de suivre la présentation de ce matin appelée Session faite par la compagnie de théâtre Arène. C'est une mise en scène enregistrée par Diallo Maria Makenda. Raila Omaru, comédienne et directrice de Sagira Théâtre qui signifie arc-en-ciel en langue zarma, fait partie du projet, du projet Assise citoyenne pour elle. C'est une façon d'apporter sa contribution dans cette sensibilisation de la population. Nous venons des forêts, des campagnes, des rues avec des feux dans la gorge, des crampes dans l'estomac, des trous béants dans les yeux, des varices le long du corps et des pieds comme du roc. 980 000 nous sommes. Chômeurs et quelques étudiants qui n'ont plus droit qu'à une fraction de vie. Nous ne levons plus nos yeux vers les étoiles du ciel. Nous avons brûlé nos prix Dieu pour éclairer les couloirs sombres de la terre. Nous venons à 980 000. Nous entrons sans frapper, et apparaissent 20 000. 20 000 prophètes, 20 000 qui font des miracles, Mercedes dans leurs pieds. Mais nous ferons nous-mêmes nos miracles. Fini les jours raccourcis. Nous ne voulons plus de mise à sac, plus de caste, plus d'ombre noire, plus de couloirs obscurs, plus de fonctions publiques gloutonnes. Venez, venez vous tous, paysans, chômeurs, ouvriers, la terre est pour tous. 20 000 s'en sont emparés mais nos têtes rasées, enfumées, calcinées saisissent tout de même. Aujourd'hui, les mathématiques, 1 million moins 20 000. Nous sommes 980 000. Nous sommes les plus forts. Arrachons notre part. Maxime Indebeka. À mon avis, c'est un projet vraiment très très intéressant. Parce que là, ce n'est pas vraiment la comédienne que j'ai mis en avant, c'est d'abord la citoyenne. Et je me suis dit qu'en tant que citoyenne, j'ai des cris de cœur. Je dois faire quelque chose pour mon pays et je mérite d'être entendue par les autorités. Parce que à chaque fois, c'est, c'est une fraction de personnes qui prennent les décisions à la place des citoyens. Et je me dis que pourquoi ne pas profiter de ces projets pour aussi donner mon avis par rapport au fonctionnement de mon pays qui est notre bien commun. Le Nigérien est très timide, donc on a inséré ces petites, euh, ces petits sketchs juste pour détendre l'atmosphère, parce que vous savez quand il y a trop de discussions, discussions, discussions, des fois ça peut être tendu, des fois les choses, les gens peuvent se dire des choses pas agréables du tout, et donc c'est pour détendre l'atmosphère, hein. mais aussi c'est pour euh, en même temps euh, un peu toucher le comédien qu'on est, quoi. Et là, on, on, on le voit, on le sent quand vous prenez la parole, vous êtes entière, on sent que vous parlez du plus profond de vous-même. C'est comme si on était dans, la réalité. C'est comme ça que vous vous sentez ou est-ce que vous mettez en avant euh, et votre talent de comédien Bon, je peux dire que je suis, je suis comme ça et mon avantage aussi, ce qui m'a rendu comme ça, c'est le comédien. C'est le comédien qui m'a rendu comme ça, mais de nature, je suis comme ça. Quand je prends la parole, je dis ce que je pense et puis voilà quoi. Et donc, euh, ce Parlement, ce projet vous permet de faire le tour des questions très importantes. On a entendu un thème préoccupant, c'est le passage des, élèves le passage automatique. Ça veut dire que chaque fois, ce sera comme ça, ce sera un thème vraiment qui, qui préoccupe beaucoup euh, la société. Oui, c'est au fait là, les comédiens, on est là pourquoi On a préparé des lois. C'est des lois qui vont soumettre la population, qui vont être discutées d'abord et ensuite votées. Et là, on a préparé des lois pour que pour inciter le public à proposer des lois aussi. Parce que je suis sûre que je ne suis pas dans la, euh, je suis pas la seule à être dans cette situation à vouloir proposer des lois. Il y a des gens, ça fait une éternité qu'ils ont envie de se faire entendre, mais ils n'ont pas le moyen de le faire. Tout d'abord, on a préparé ces lois et ces sketchs pour installer l'atmosphère, pour que les gens puissent comprendre comment ça se passe d'abord. Après, ils vont aussi, c'est pour les inciter aussi à prendre la parole. Cette loi dont vous parlez, le passage automatique, est déjà en vigueur ici au Niger. Oui, c'est en vigueur, mais nous, on est celle qui a proposé la loi. Au fait, elle était contre cette loi parce qu'elle dit que c'est ce qui, qui est à la base peut-être de la faiblesse des élèves aujourd'hui. Avant, on sait que quand tu prends un élève de CM2 ou un élève de même de CE1, il est capable de te faire une phrase correcte quoi. Et là, même à l'université, quand tu entends certains, certains étudiants te parler le français, c'est compliqué. Les passages ne peuvent pas être mais, automatiques, mais mérités. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter Raila Oumarou, comédienne et directrice de Sajera Théâtre qui signifie arc-en-ciel en Zarma. Elle fait partie du projet Assise citoyenne donc, de la compagnie AREN. Nous allons euh, tout de suite écouter le directeur artistique de la compagnie AREN Théâtre, Oumarou Aboubakar Betoji. Il nous parle du parcours euh, de la compagnie AREN au micro de Diallo Maramukenda. Pendant longtemps, nous avons fait du théâtre scolaire et à l'époque, J'étais à côté euh, avec un monsieur, paix à son âme, qui s'appelait Alfred Dogbé, que beaucoup connaissent. Il était notre metteur en scène. Chemin faisant, il s'est dit, ce serait bien de se constituer légalement. Et nous avons créé le théâtre de l'arène. Mais tout le monde confondait l'arène comme arène de lutte, espace de jeu, et la reine, l'épouse du roi. Ça nous vexait un peu. On a changé donc le nom en arène théâtre au lieu de théâtre de l'arène. Nous avons au début jouer des pièces de théâtre d'autres auteurs, mais vraiment du théâtre écrit. Et euh, Alfred Dogbé donc s'était mis à écrire ses propres pièces pour inventer son propre théâtre. Nous avons pendant presque une dizaine d'années joué spécialement les pièces écrites par Alfred et mises en scène par Alfred. Depuis sa disparition, j'ai commencé à réfléchir à un théâtre beaucoup moins écrit, parce que je crois que nos populations sont moins instruites. Il est temps que nous pensions à faire du théâtre de scène dans nos langues à nous, un théâtre qui n'exclut pas nos langues à nous. Et donc, il faut partir de la scène vers l'écrit. Nous improvisons des pièces de théâtre, nous les jouons en langue pour nous rapprocher plus de notre population. Et ensuite, seulement une fois que la pièce existe, on peut penser à la mettre sur papier. Et euh, dites-nous, quelles sont les thématiques de, de ces théâtres que vous, jouez mm. Il n'y a pas de thème précis. On a joué un peu de tout. On a joué de la comédie, de la tragicomédie, de, de la tragédie, du burlesque. On, a touché un peu à, tout et toutes les formes aussi du théâtre euh, utile, comme on dit, du théâtre de sensibilisation du théâtre Forum, du théâtre Paysage, surtout du théâtre de scène. Et il n'y a pas de thème précis parce que nous composons avec euh, l'époque, avec l'insécurité euh, grandissante au, Niger et nous, essayons de plus toucher cet aspect d'insécurité. Pendant longtemps, on a traité du quotidien, de, ce, que connaissent les Nigériens au quotidien, des problèmes de famille, des problèmes de couple, des problèmes de société. Et nous avons abordé aussi parfois des pièces très très politiques et notamment la création que nous avons faite en 2014, dans ce pays-là, ça s'appelle. Parlez-nous donc des assises citoyennes. C'est pour ça que donc nous avons créé ce cadre-là, assises citoyennes, qui est un spectacle de théâtre qui implique la musique, le théâtre, la poésie. C'est un cadre qui est assez spécial parce que c'est quand même un parlement populaire. C'est une sous forme d'une assemblée nationale. Sauf que dans l'assemblée, il n'y a pas de députés. C'est la population qui propose ses propres lois. Les citoyens nigériens deviennent des législateurs directs. Et nous pensons que c'est un concept qui nous rapproche des spectateurs et surtout qui donne à entendre les opinions des spectateurs, donc des Nigériens. Vous avez déjà commencé une tournée ou qu'est-ce que vous avez fait dans ce cadre Nous avons fait six sessions nous appelons les représentations des sessions parce que c'est un parlement populaire. Nous avons joué à Tilaberi, à Dosso et à Niamey. Nous avons fait quatre représentations, notamment au CCFN, à la place AB, euh, à Promap, à Alternative Espace Citoyen également. Euh, la suite, c'est quoi Alors, nous envisageons à partir du 15, demain 15 juillet, euh, d'aller en région. Nous allons jouer à Maradi le 16 et à Zender le 20, à Agadez le 22 et à Tawa le 24. fois est exclu à cause des situations que vous savez. Et si on vous disait de parler d'Alpha c'est un homme bon, c'est un artiste complet. C'était vraiment quelqu'un qui était le, euh, si je peux dire, euh, le pilier du théâtre nigérien. Il a écrit une quinzaine de pièces de théâtre à travers le monde. Il a monté plusieurs pièces, mais il a réussi à réunir autour de lui des artistes pour réfléchir à, au métier de l'artiste et notamment le travail de, l'artiste en tant qu'homme de théâtre, ce qu'il peut apporter. Je peux dire que Alfred, euh, il a semé quelque chose et nous ne faisons qu'aujourd'hui poursuivre ce qu'il a commencé. Vous parlez d'Alfred avec une telle passion oui et vous-même êtes euh, comédien, Betoji, l'avenir du théâtre nigérien ah, Je suis confiant en l'avenir du théâtre nigérien. Nous avons tellement de problèmes à résoudre au Niger, et je, parle vraiment des problèmes sociaux, économiques, politiques, que l'artiste a sa place. Et nous devons apporter notre contribution pour l'émergence d'un pays démocratique, d'un pays plus citoyen. Je pense que les beaux jours du théâtre sont à venir. Vous n'avez pas l'impression que le théâtre nigérien a perdu sa place d'antan Il y a eu des moments glorieux du théâtre nigérien, mais il ne faut pas euh, comparer les choses. Le problème, euh, il est multiple. Il, ne se situe pas uniquement au niveau des artistes. À un moment donné, ceux qui pratiquaient le théâtre, c'était des, fonctionnaires. Le théâtre était important, ce n'était pas un métier. Et de plus en plus, maintenant, c'est devenu une profession pour des artistes. C'est que les autorités aussi s'impliquent davantage. Au Bénin, ils sont à 3 milliards, le budget culturel le ministère de la Culture. Au Burkina, euh, ils sont à plus de 2 milliards. Et euh, en Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Le Niger, nous sommes à 50 millions théoriques. C'est-à-dire, si on veut parler de renaissance culturelle, il faudra revoir le budget alloué au ministère de la Culture. Ça, c'est fondamental. On ne peut rien faire sans moyens. Parler de renaissance culturelle, vous avez foi à ce nouveau ministère Oui, absolument. J'ai foi en toute réflexion qui vise. Il y a la réflexion qui, une réflexion autour qui dit qu'il faut euh, faire renaître quelque chose il faut donner plus de punch à, quelque chose pour que la culture eh, connaisse un véritable envol. Et je crois en ça, mais il faudra eh, revenir sur une table et rediscuter véritablement sur ce que nous entendons par cela et quels sont les outils à renforcer pour que cette renaissance culturelle soit effective. On termine avec une touche de comédie ou de théâtre, si tu veux, Bétodi. Est-ce que tu pourrais, là, à l'instant, anticiper quelque chose, quelque chose que tu as eu à jouer, Insane. de quelques secondes. Là où je peux dire que euh, j'ai joué seul, c'est surtout dans Tiens bon Canon. Il est mendiant et il dit ceci. Au passant, pensez aux pauvres, prêtez à demain, donnez, donnez. Dit maintenant, les cœurs des gens sont devenus comme des pierres. Ils ne donnent plus rien. Ils ne croient plus en rien. Ils n'espèrent plus rien. Mais c'est normal, tout le monde est devenu mendiant. Il y a des, il y a des, des intermittents, des clandestins, des furtifs, des faux mendiants, des malades, des handicapés, de toutes les catégories. Il y a celui, par exemple, qui débarque dans une mosquée et dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa tala Cher frère en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa paix sur lui et sa famille, a dit Hier, il y a eu un incendie chez nous. Mon père a été gravement brûlé. Nos vivres aussi. Wallahi, je n'ai pas mangé depuis une semaine à cause de l'incendie d'hier. Billah Vous avez le petit type aussi qui parcourt les rues, équipé de fausses ordonnances médicales, le visage chiffonné, la bouche ornée d'une histoire plus que pathétique. Bonjour, grand frère. Ma femme est couchée, sur la table de la maternité. Donnez-moi mère elle va mouiller avec le bébé. Vous avez aussi ces grands messieurs qui envahissent l'écran télévisé avec euh, un discours bien fait, bonnet rouge, cravate ou parfois boubou, bazin brodé. Ils prennent le micro. Euh, communauté internationale, la situation agro pastorale est catastrophique. Nous accusons un déficit alimentaire de l'ordre de 30 000 tonnes. Le cheptel est décimé. Au secours, <laughs> aide d'urgence, communauté internationale, <laughs> aide d'urgence. Évidemment, ça, ce n'est pas un mendiant, c'est un ministre. Béthodie, merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter Betoji Aboubakar Omarou qui nous parle de la compagnie Arène. Il est le directeur artistique de la compagnie Arène Théâtre. Il était interrogé par Diallo Mariama Kenda, dossier entièrement réalisé par elle. Il y a quelques jours, le tribunal de grande instance de Niamey a condamné des militants du parti Lumana pour incitation et ou participation à un attroupement armé le 14 novembre 2015, date de retour d'exil au Niger du président du dit parti Amamadou. Parmi les condamnés, il y a Soumana Sanda qui est élu député à l'Assemblée nationale alors même que ce dernier est incarcéré en prison. Que dit la loi sur son cas Est-ce qu'il garde toujours son statut de député ou sera-t-il déchu de sa fonction de député Nafisa Adamou Sirfo joint au téléphone depuis Paris. Maître Bachir, doctorant en droit, voici ses réponses. Le député Souman Sanda lui-même, en fait, a été condamné. Bon, il a été placé sous mandat de dépôt. C'était, euh, vous l'avez dit, euh, des événements du 14 novembre 2015. Euh, donc à l'époque, il n'était pas encore député et je crois qu'il a été poursuivi euh, comme étant euh, sous le régime du droit commun. Il n'a pas été poursuivi en tant que député parce qu'à l'époque, il n'était pas encore député. Et élu député ultérieurement, donc il bénéficiait de la présomption d'innocence et c'est justement ce qui a permis de valider sa candidature parce qu'il n'a pas été condamné, élu député ultérieurement. Donc cela ne pouvait pas être tout de suite une forme d'immunité et même l'immunité qui est reconnue aux députés, c'est en quelque sorte une certaine irresponsabilité parlementaire. L'immunité doit s'entendre à deux niveaux. Hein. Il y a l'immunité parlementaire qui est entendue comme étant l'irresponsabilité parlementaire, c'est cette immunité qui est consacrée à l'article aux alinéas 1 et 2 de l'article 67 de la Constitution. Il y a aussi l'immunité parlementaire qui devait être entendue sous l'angle de l'inviolabilité, c'est-à-dire d'abord euh, précisément l'irresponsabilité parlementaire doit s'entendre comme étant euh, euh, la parole du député ne pourrait pas engager sa responsabilité. Le député ne pourra pas être poursuivi pour euh, offense ou outrage, ou même euh, pour autre motif que ce soit dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion des paroles que celui-ci aura prononcées dans l'hémicycle. Ça, en fait, euh, qui le protège. Donc, il y a aussi l'immunité parlementaire qui doit être entendue comme étant l'inviolabilité parlementaire. cette immunité, en fait, ça, c'est la suite de l'article 67, hein, ce qu'on peut trouver aux alinéas 3 et 4 de la Constitution. Et celle-là, en fait, elle couvre les infractions et préserve le parlementaire euh, un peu euh, de tout ce qui pourrait être l'arrestation et la détention provisoire. Pendant qu'il est député. C'est pendant qu'il est député qu'il dispose d'une immunité parlementaire qui puisse euh, le protéger d'une éventuelle poursuite euh, ou bien d'une éventuelle détention provisoire. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il jouit d'une impunité. Non, c'est dire qu'après après son mandat, il pourrait éventuellement répondre des actes pour lesquels il est inquiété. Mais le cas Soumane Sanda, c'est qu'avant qu'il soit élu député, qu'il a été poursuivi. Donc, euh, je pense que c'est le régime de droit commun qui va lui être appliqué et il n'est aucunement besoin de faire jouer son immunité. Mais la difficulté à ce niveau, c'est qu'il y a une jurisprudence parce que c'est cela aussi souvent euh, les décisions de justice. Il faudrait que euh, par euh, les actes, les tribunaux puissent rendre des décisions qui ne soient pas passibles de critiques. l'a vu par le passé de, sous l'ancienne législature des députés qui étaient condamnés qui une fois élus, on avait bénéficié de la liberté provisoire. C'est cette interprétation qui est faite justement et qui voulait que les militants de l'opposition viennent justement transposé au cas Donc dans ce cas, est-ce que cela signifie qu'il garde toujours son statut de député ou bien qu'il peut être déchu de son statut étant condamné Étant condamné, il pourrait effectivement euh, être euh, déchu de son statut de député dans le cas où la décision en fait du juge n'aura euh, l'aura dessaisi, je vais dire, de ses droits, déchu de ses droits civils et politiques. Dans ces cas, oui. Mais je pense pas que ce soit le cas pour l'instant. Je pas en substance euh, la décision, je pourrais pas vous le dire tout de suite, mais je crois que si c'était le cas, on l'aurait tout de suite su par le biais de ses avocats. Donc tel n'est pas le cas. Et d'ailleurs, j'ai vu euh, l'interview de son avocate qui disait qu'il ne juge pas opportun d'interjeter appel. Donc c'est tout simplement pour dire qu'ici, le juge n'a pas de chute de ses droits civils et politiques, donc c'est pas pour autant qu'il va perdre son mandat de député. Ça pour toujours, et dès qu'il aura euh, été libéré, il pourra regagner l'Assemblée nationale et reprendre son siège. Outre Soumane Sanda, d'autres députés du même parti croupissent en prison depuis des mois pour une euh, présumée participation à un coup d'État. Est-ce qu'ils peuvent continuer eux aussi à jour de leur statut tout le long de la mandature au cas où ils ne sont pas jugés Vous savez, euh, c'est un peu complexe, hein. c'est un sujet délicat euh, pour ces personnes parce que euh, il y a sans doute euh, la poursuite qui est engagée, mais cela ne fait pas d'eux des présumés coupables. Et c'est ce que les gens oublient parfois, essayent d'écarter dans le débat démocratique au Niger. C'est que la présomption d'innocence est un droit fondamental. Toute personne à l'encontre de laquelle une poursuite judiciaire est engagée est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit déclarée par un tribunal impartial et compétent. Voilà ce que dit la loi. Donc, à ce niveau, ces personnes, aujourd'hui, même s'ils sont sous le couvert d'une procédure judiciaire, ils peuvent bénéficier de liberté provisoire. Donc, je ne pense pas qu'ils vont être, continuer à être gardés prison pendant le long de la législature. Et si tel est le cas, il est vrai que l'Assemblée nationale peut demander à un certain moment de pourvoir à leur poste, donc être remplacé par leur euh, suppléant, ce qui n'est pas sans difficulté majeure parce que ces personnes aujourd'hui disposent par le juge de ce qu'on peut appeler l'excuse. Donc il y a l'excuse en fait de leur absence euh, parce qu'ils sont sous le couvert d'une procédure judiciaire qui ne puisse pas leur permettre d'être physiquement présents à l'hémicycle. C'est pas de leur fait. Donc c'est excusable qu'ils être imputés, Ils peuvent ne pas être amenés à perdre leur euh, siège de député. Mhm. Mais ce qui est important à, souligner à ce niveau, c'est que même si tel est le cas, c'est que le problème, on ne peut pas le faire parce qu'ils n'ont pas encore été condamnés. Ils jouissent encore de la présomption d'innocence. Et en voulant, en, les remplaçant à l'Assemblée nationale par un, euh, euh, siège à, à l'équivalent remplacé par leur suppléant, c'est dire simplement que la présomption d'innocence n'a pas été respectée et qu'en quelque sorte, l'Assemblée nationale a déjà euh, pourvu, je vais dire, a déjà donné lui son verdict. Si euh, ils sont en place et si leur siège pourvu à leur suppléant et que la justice euh, les déclare non coupables, qu'est-ce que fera l'Assemblée nationale Donc, vous voyez un peu la difficulté euh, qui pourrait être à Je pense que c'est pourquoi l'Assemblée nationale préfère laisser la justice d'abord sur son compte et en fonction de la décision qui interviendra, dans le même cadre d'idée, on sait que le président même du parti Hamamadou, euh, lui-même député national, n'a pas repris son siège depuis son évacuation sanitaire en France. Dans ce cas, qu'est-ce qui peut lui arriver s'il ne regagne pas son siège également A priori, il n'y a, aucun problème. Hein. Monsieur Hamamadou est en France pour des raisons médicales. Vous l'avez vu, il a été évacué. Donc, euh, ce sont des motifs euh, légitimes. Et à ce niveau, lui, Contrairement à ceux qui sont sous le coup euh, d'une procédure judiciaire, lui, je pense que pourrait même bénéficier de tout ce qui est ses avantages de député. Parce que ici, l'incapacité député à être présent à l'Assemblée nationale jouit des motifs légitimes. Et ce motif, c'est les raisons euh, sanitaires. Donc, aucun risque. Il est à mesure de prouver justement son absence et de, l'hémicycle est tout à fait justifié pour un motif euh, légitime qu'il est en droit de bénéficier de tous les avantages elle commence de reculer son but du fait de son euh, mais ces partisans pensent que la justice est actuellement instrumentalisée par le pouvoir politique euh, au vu du traitement judiciaire que les militants du parti Lumana subissent ces derniers temps parce qu'ils sont nombreux les partisans qui croupissent en prison. En réalité, c'est normal que ces militants euh, de ce parti politique puissent en fait s'inquiéter du sort et du traitement et surtout même s'inquiéter de l'indépendance euh, du pouvoir judiciaire. Mais il faut le dire sans détour, hein, le pouvoir judiciaire au que ce soit maintenant ou avant, n'est jamais était indépendant. Et, euh, le pouvoir judiciaire a toujours été sous le, les l'instrumentalisation, il y a toujours l'émission du, pouvoir politique. Et vous savez, c'est que maintenant, la difficulté d'ailleurs pour les magistrats, c'est le fait que, euh, par le biais de la ligne verte, qui est censée euh, lutter contre les dénonciations, il y a une pression qui est faite justement sur les magistrats par le biais de cette ligne verte. Euh, donc c'est ça qui cause un problème particulier pour. Euh, et je comprends que pourquoi le, syndicat de le SAMAN, demande toujours euh, la suppression de cette ligne verte. Parce qu'en réalité, cette ligne verte, même si elle fait son travail, parfois les, autorités politiques utilisent parfois les dénonciations qui sont faites souvent des, à tort, hein, souvent des magistrats, pour accabler certains magistrats et pouvoir exercer une pression sur eux. Voyez-vous, c'est ça la difficulté. Parfois les délais souvent anormalement longues. Les délais anormalement longs des détentions au Niger. On constate parfois, on assiste à des détentions abusives. Quand pour un fait, la personne continue d'être gardée d'une année, je sais pas, des mois et des mois, alors que l'infraction n'a même pas encore été constituée. Ils sont dans une phase de procédure. Je pense que la personne peut quand même bénéficier d'une liberté provisoire pour pouvoir vaquer à ses occupations. Et c'est cela la justice. La justice doit être capable d'éduquer, de responsabiliser, tout en gardant en tout cas son rôle le pouvoir aussi de, répression. On peut réprimer sans être en prison. On peut réprimer euh, un délinquant, on peut réprimer un récalcitrant, on peut réprimer euh, un coupable sans qu'il puisse passer le long de son temps en prison. Il y a des mesures alternatives qu'il faut proposer. Vous savez, il y a le contrôle judiciaire, par exemple, l'obligation pour la personne de présenter devant un juge. Mais quand c'est toujours la détention provisoire, c'est que parfois, euh, je pense que le risque, il y a beaucoup d'innocents qui se retrouvent en prison. Et dans une démocratie, c'est dommage que souvent ce soit des innocents qui se retrouvent en prison au Niger, c'est que nous avons le régime de la détention provisoire qui dit clairement que la liberté reste toujours la règle et la détention l'exception. Vous savez que c'est vraiment dans des cas exceptionnels que la détention provisoire devait être euh, intervenue. Mais lorsque, pour un fait qui n'est même pas encore constitué, on prend une personne la place qu'on a en détention provisoire, je pense qu'il faudrait que euh, les gens puissent euh, vraiment s'inviter et essayer de invité à ce débat pour qu'on puisse voir le dans quelle au Niger on peut euh, demander une réforme de la euh, procédure pénale vouloir mettre en fait des mesures alternatives qui ne soient pas toujours la prison. Et c'est ça la difficulté. Hein. De façon générale, le citoyen se plaint du traitement des dossiers judiciaires, que ce soit politique, social. Quel commentaire pouvez-vous faire de cette situation Le constat qui est le mien, c'est qu'il y a un constat d'inquiétude. Le constat d'inquiétude, c'est que en ce moment, quand au vu de ce qui se passe au Niger, et souvent pour des motivations politiques, vous savez, euh, le juge il même s'il essaie de bien faire son travail, il y a des, ces décisions judiciaires qui ne sont pas compréhensibles. Mais ce qui, ce qui, heureusement pour nous, c'est que jusque-là, il y a des magistrats intègres qui arrivent quand même à donner satisfait aux justiciables. Mais il y a même des décisions parfois qui même juste paraissent euh, incompréhensibles du fait parfois de, euh, euh, de l'appropriation ou même des commentaires politiques qui en sont faits. Donc moi, ce que je pense, c'est que de grâce, il faudrait qu'à un certain moment, ceux qui font les commentaires, qui commentent les décisions de justice, puissent eux aussi prendre un peu la mesure de la hauteur pour euh, commenter vraiment juridiquement sans aucune opportunité une décision de justice pour permettre aux citoyens d'éclairer, en fait pour permettre d'éclairer les lanternes des citoyens. Mhm. Mais quand on s'approprie un dossier judiciaire dont on n'a même pas le maîtrise et qu'on se permettre de faire des, prévisions ou même parfois de donner un verdict qui n'est pas euh, forcément le bon, il est normal que le citoyen, lui, s'y attende parfois quand ça l'arrange à ce verdict. Et lorsque ce n'est pas le cas, mhm. et on, est dans une situation difficile. Mhm. Mais ce qui est le plus difficile, c'est quand vous voyez que souvent euh, la rapidité, la célérité avec laquelle parfois des décisions sont prises Parfois, les dossiers sont traités et pour d'autres dossiers, c'est pas le cas. Il est vrai que parfois, on a des éléments, mais tout laisse à, tout porte à croire que parfois, il y a une différence de traitement dans les dossiers judiciaires selon qu'on appartienne à un camp ou un autre. Mm. Ça, ça crée une méfiance, une rupture de confiance entre le citoyen justiciable et la justice. Il faudrait clairement qu'on engage des réformes, mais des réformes majeures, des réformes juridiques majeures qui puissent permettre, par exemple, de dissocier pouvoir politique et pouvoir judiciaire. Merci, Monsieur Bachir. Je vous en prie. Maître Bachir, doctorant en droit basé à Paris, en France, joint au téléphone par Nafissa Adam Sirfo. Dans le département d'Arlit, 100 jeunes miniers licenciés de l'entreprise d'exploitation d'uranium Imura SA ont bénéficié d'une formation et d'un appui en matériel de détection de métaux en vue de leur reconversion vers les activités d'orpaillage. Cet appui a été octroyé par la Haute Autorité pour la consolidation de la paix à la demande du Conseil départemental des jeunes d'Arlit. Gungu Maman Dantani s'est entretenu avec le président de cette structure, Massalabi Nuhu, que je vous propose d'écouter. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez donné un appui à des jeunes pour des activités d'orpaillage euh, au niveau de la commune urbaine euh, d'Arlit. Pouvez-vous nous faire euh, l'exposé de comment vous avez fait cet appui, pourquoi vous l'avez fait et quand Effectivement, un appui a été apporté aux jeunes particulièrement de la commune de et Boukaram, des jeunes qui sont des licenciés du Mouraren. Un programme qu'on appelle, c'est un programme pour la aux jeunes communautaires au Niger, qui nous ont assistés pour que ces jeunes-là puissent être formés dans d'autres activités autres que les activités minières qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que maintenant, ils n'ont rien à faire. Ces jeunes-là ont été formés pendant cinq jours à l'utilisation des matériels de détection de métaux, outillés en matériel de détection par le programme de euh, la fonction communautaire unitaire. Ces jeunes ont été pris et amenés à Chimbacatré pour faire l'activité d'envoyage. Ils sont combien ces jeunes Ces jeunes, pour notre, il y a pour la commune de Gougaram, 40 pour la commune de... Il y a également 20 jeunes qui viennent donc de la commune d'Ingal, qui ont été donc associés. En somme, c'est 5 jeunes qui ont été appuyés dans ce cadre-là. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à encadrer et appuyer ces jeunes C'est des jeunes qui ont été licenciés au niveau des mines Ingaren et la mine d'Adélie. Des jeunes qui ont l'habitude d'avoir un salaire, qu'ils ont été licenciés. Et Aujourd'hui, le manque de potentiel dans les communes rurales, elles ne font aucune activité peut être aller à l'immigration. Or, cette option, elle n'est pas bonne en tout cas vu le contexte dans lequel euh, se trouve la sous-région. Donc, c'est pour cela nous avons encouragé les autorités, nous avons encouragé les projets pour qu'elles appuient et soient à ces gens-là. Et heureusement que euh, nous avons été entendus par le programme TNCL pour pouvoir vraiment appuyer ces gens-là de votre côté, vous êtes en train d'appuyer les jeunes euh, pour une activité d'orpaillage, alors que de l'autre côté, nous apprenons qu'il euh, y a des orpailleurs qui sont déguerpis des sites euh, d'orpaillage. Comment vous voyez cette situation Vous savez ce qui se passe au juste, c'est quoi Il y a des personnes qui viennent de, de de, la sous-région. Il y a des orpailleurs qui sont venus qui n'ont aucune identité. C'est-à-dire, ils n'ont une pièce d'identité pour être réglementés. Et vu le contexte social dans lequel nous sommes, avec les menaces qui sont réelles. Imaginons un accouplement de milliers de personnes où on n'arrive pas à identifier qui est qui. Cela peut être un sujet d'insécurité. Le ministre de l'Intérieur était en visite à Arlit. Est-ce que cette question d'orpaillage a été abordée Lors de la visite du ministre, effectivement, ça a été abordé, surtout du côté sécuritaire. il est extrêmement important que le site d'orpaillage soit sécurisé, non seulement pour sécurité de ceux qui exercent ce métier, mais également la sécurité de notre pays et même des pays qui sont frontaliers. Malheureusement, on est de constater bon nombre de personnes qui exercent l'activité de travail sur le site de Cybercafé, par exemple, ils ne sont pas physiquement identifiés. Si les gens ne sont pas physiquement identifiés c'est qu'ils le doivent et qu'on se soit sur ça, ça fait l'objet d'une insécurité pour nous. C'est dans ce cadre-là que le ministre a dit effectivement le site doit être réorganisé, restructuré et qui vous est et qu'est-ce fait au niveau de, euh, de l'État. Voilà ce qui a été avant. Merci, M. Matsalabi. Vous venez d'écouter l'entretien réalisé par Gungu Mohamed Dantani, entretien sur euh, ces jeunes licenciés qui ont pu être formés dans le domaine de leur paillage. Arlette, toujours euh, les conditions de vie des populations qui sont à proximité des sites d'orpaillage sont difficiles. Dégradation de la situation sanitaire, insécurité, vol sur le lot quotidien des populations. Lassées de cette situation, les populations se sont organisées pour exiger le déguerpissement des orpailleurs à l'avant-garde de ce mouvement de protection, de, protestation, la société civile de la localité qui a pu obtenir la suspension des activités d'orpaillage sur plusieurs sites. Les explications de Medawa Boubacar, membre de la coordination de la société civile d'Arlit, joint par Hamado Moumouni. La première mesure, en quelque sorte, c'était une suspension temporaire. cette suspension temporaire ça a permis un peu aux arpailleurs de se retrouver en clandestinité au fait. C'est-à-dire ils ont compris comme ils sont maintenant indexés, donc il faut qu'ils se déplacent. C'est ainsi que d'autres, de nouveaux sites, des petits points, se sont vus encore à la périphérie, euh, à la périphérie donc d'Arlit. Mais euh, toujours toujours étendu que, euh, je pense, les autorités ils ont fait de leur mieux pour pouvoir empêcher ces, choses-là. Mais vous savez, chose qui est informelle, il serait difficile pourtant de contrôler dans la totalité vraiment toutes ces situations-là. Actuellement, vous avez combien de sites autour d'Arlit Je ne peux que vous parler peut-être du site qui a été réservé, le site légal si je peux l'appeler, parce que c'est un site qui, a été euh, donné euh, euh, avec la contribution donc de la direction de, de mines, du service des mines d'Arlit donc, et la commune, donc ils ont enlevé un terrain, ils ont donné des, ils ont parcellisé d'abord l'endroit pour pouvoir permettre à ce orpailleurs-là de se retrouver un peu à une vingtaine de kilomètres donc de d'Arlit. Là, c'est le seul site qui est là, sur la route d'Agadez, et qui est là, qui est opérationnel et qui est légal, dans dans le service de mine contrôle tous les produits qui sont utilisés. Et néanmoins, ça ne manque pas des sites informels qui sont par-ci, par-là, parce que vous allez voir des particuliers, donc ils font louer des parcelles. Puis maintenant, on fait mettre une machine, et cette machine, dès lors qu'on la met, maintenant, ils vont passer à travailler. Et qu'est-ce qu'ils font pour le travail Parce que c'est quelque chose d'informel. Ils le font le plus souvent tard, un peu tard dans la nuit ou bien très tôt le matin. Nous avons détecté ce genre de sites, et c'est des sites vraiment qui ne sont pas du tout légaux. Le, nouveau site euh, ne cause pas, enfin, pour le nouveau site, ça va euh, par rapport à la ville d'Arlit Il est à une vingtaine de kilomètres d'Arlit. On peut dire que euh, pour le moment, ça va, mais euh, jusque-là, nous n'avons pas vu vraiment des dégâts que ça peut causer. Parce que le premier problème, c'est que c'était d'abord les voisins qui avaient constaté ça. C'était ceux-là qui étaient avec eux. Et, du point de vue même par rapport à l'eau, vous savez qu'ils consomment beaucoup d'eau. Les gens ont compris que presque tous ceux-là qui les amènent de l'eau convergent de l'autre côté. Ce qui fait qu'à un moment donné, les bidons d'eau coûtaient très cher, excessivement cher. Vous allez voir des Nigériens, vous allez voir des Nigériens, des Burkinabés, vous allez voir des Somaliens. C'est presque l'Afrique en miniature qui se retrouvait autour de ces hmm. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à se retrouver. Et donc, nous, nous avons demandé qu'on puisse vraiment euh, contrôler qui et qui était rentré, et qui et qui exerce, et qui et qui fait quoi sur le terrain là. Parce que si c'est des Nigériens, qu'on puisse vraiment savoir est-ce que c'est des Nigériens euh, qu'ils sont là-bas ou bien est-ce que ce ne sont pas des Nigériens qui exercent C'est presque tout le monde, hein c'est presque tout le monde qui est concerné. Et surtout les étrangers, on essaie de contrôler, de voir par rapport à la situation insécuritaire. On a demandé qu'on ait plus de contrôle qu'on sache vraiment quand est-ce que cette personne est rentrée, quand est-ce qu'il va s'en sortir et comment, quelles sont ses pièces. Parce que des fois, vous savez, il y a des querelles qui se retrouvent sur ces sites. Quoi. Est-ce que les nouvelles mesures sont effectives Je pense que ça peut permettre de contrôler et ça peut permettre de faire en sorte que qu'on sache, euh, qu'on maîtrise la situation, que les forces de l'ordre puissent vraiment exercer leur travail en bonne euh, de protection, donc en bonne et due forme pour que... Euh, euh, qu'il y ait vraiment plus de tranquillité. Le, ministre de l'Intérieur était hier à Arlit. Quel était son message par rapport à, cette situation des, il a, il a plus de paix, plus de, tranquillité, que les gens comprennent qu'il faut qu'ils arrivent à être euh, plus sérieux et par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. il a responsabilisé vraiment les forces de défense euh, vraiment à plus de vigilance par rapport à la question sécuritaire et, la population les a exhortés à dénoncer toute, toute personne suspecte par rapport à certaines situations euh, de produits illicites qui, donc, qui peuvent euh, circuler dans la peau. Parce que le cas d'Agadez a fait en sorte que ça a touché tout le monde lors de l'explosion de, là, de dynamite. Donc les gens donc les autorités donc doivent avoir un œil plus de œil vigilant par rapport à cette situation pour que ça ne se répète pas au niveau d'Arlit. Ce qu'on retient, que ce soit les nationalités nigériennes ou étrangères, tout le monde euh, peut travailler, mais euh, les nouvelles mesures sont là et ça frappe tout le monde. Oui, ça frappe tout le monde. En tout cas, ça frappe tout le monde. Il semble que les nationalités étrangères constituent un véritable problème et que c'est elles qui détiennent le poumon de, ces, de, sites d'orpaillage. Effectivement, le site de Tubarakaten qui se trouve un peu à des centaines de kilomètres d'Arlit, et je peux dire que c'est un site qui est contrôlé par des étrangers. Quand on sait bien que ces gens-là, ils sont armés, ils ont de, de, matériel qui, qui les permettent de faire ce qu'ils peuvent. Donc les Nigériens sont devenus même une main-d'œuvre pour eux, parce qu'à un moment donné, ce sont eux qui, travaillent pour eux. Donc, ils ont, ils ont, mais ils ont demandé leur départ, semble-t-il. Hein oui, effectivement. Les Nigériens avaient demandé leur départ parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe C'est que c'est des gens qui sont très bagarreux, qui, en quelque sorte, les Nigériens eux-mêmes se sentent un peu abandonnés. L'ouverture de ces sites a quand même euh, joué euh, a eu un impact mhm. sur euh, les activités économiques d'Arlit. En quoi est-ce que ça a ça a contribué à booster l'essor économique euh, de la ville d'Arlit Bon, je peux dire que c'était vraiment une aubaine. C'était vraiment une aubaine hein, pour les Nigériens parce que comprenaient bel et bien que pour les jeunes d'Arlit, à un moment donné, rappelez-vous de la fermeture du chantier du Mourara ça. Vous voyez bien qu'il y avait des milliers de jeunes qui avaient perdu l'emploi. Il y en a qui étaient dans le désarroi, ces fils, toutes ces familles à un moment donné, euh, elle, se posait la question, ses familles se posaient les questions, comment est-ce qu'elles vont survivre avec cette situation maintenant euh, de fermeture du Mouraren. Et qu'est-ce qui se passe on, on apprend qu'il y a des lords qui se trouvent dans la, dans la région. Donc les jeunes, euh, je pense que ça a permis aux jeunes d'aller au lieu de se retrouver dans la débandade parce que à un moment donné, les gens avaient peur. Avaient peur parce que. ils gagnaient beaucoup. Ils peuvent gagner jusqu'à combien par jour par jour, ils peuvent se retrouver avec euh, des centaines de milliers, hein. parce que si tu travailles dans la journée, parce que j'ai eu à demander quelqu'un, donc qui s'appelle, me disait que euh, par jour, il peut se retrouver, comme il sous-traite avec quelqu'un, il peut se retrouver avec 32 euh, 500 francs. 32 500 francs, vous voyez, pour une journée, c'est beaucoup pour quelqu'un. Medawa Boubacar, membre de la coordination de la société civile d'Arlette, interrogé par Amado Moumouni. Merci à toutes et à toutes euh, d'avoir suivi le forum de ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour le forum de la presse. Bonsoir.